jox waaye fi nga ko décoré fi nga xam ne fi nga fekk baax Cees gi nga xam ne nga fekk baax baax fekk la fi Mbaye Gueye yaa ngi décoré sa xarit yaa ngi décoré koo xamante nii liggéey rek boole ak fulla ak fayda ak jom waaye waaye kii lii mooy lawbe ba lawbe borom darndeeg njàmba sambe binta maam say jóg mi yendoo ndaw raas la yendoo njoojom waa ñoojom yendoo daw birima fa yendoo naan Pape man te yàgg nga ci ne Amadou Touré de sa mam moy borom mi marché ak jàndar yak ya, nga ci man te de amad ba pakay Diop sa bàyyi tuddu mayen xuddu Diop ko djur mom lañ la tuppé musibri Montel la Mali Birame Mon Birame Montel la sa baay deug na ko la fasour nafi sa fasour fasour maram djelim djur sàmbal tamay ma ca Dagana Samb Sall Malle fal Mataw Maram Diagne décoration nga xamante ni mo la jàppale lol ci aéroport and nag ak sa xarit Ndoye Mali Maram Ngoy Ndoye mii nga xamante ni Abbas Ndoye Monsieur le ministre du Commerce, du secteur informel, de la consommation, de la production, de la production des produits locaux et de PME, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur le président de l'UNACODAPO, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et nationaux, Mesdames, Messieurs les présidents des organisations professionnelles culturelles, distingués invités. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à cette touriste assemblée réunie pour une seule cause, l'émergence du Sénégal. Ce sentiment est doublé d'une fierté, car le choix porté sur ma bonne personne pour me décerner la Dure d'Or, qui prime la personnalité de l'année 2016, est faite d'une organisation professionnelle et patronale de référence dans le dispositif du secteur privé du Sénégal, de l'UMOA, de la CDAO, je vous nomme l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, et d'Appel. Vous honorez des femmes et des hommes relativement à leur engagement pour le développement du Sénégal. Vous apportez ainsi, au-delà de vos activités de commerçants et d'industriels, on souffre pour l'atteinte des objectifs du chef de l'État dans le cadre du plan Sénégal En effet, c'est la conjugaison de tous nos efforts qui nous permettra d'arriver à ce Sénégal dont nous rêvons tous. Un pays développé, vous de paix et de bonheur pour tous ses fils. Permettez-moi de saisir cette occasion solennelle et symbolique pour remercier son Excellence M. Macky président de la République du Sénégal, qui nous a donné l'occasion de servir notre pays à ce niveau de responsabilité mais aussi au ministre du Commerce, M. Almoussar. Les aéroports du Sénégal sont au cœur de la vision du chef de l'État depuis 2012. C'est ainsi qu'à travers des investissements considérables, nous sommes attachés à consolider le système aéroportuaire du Sénégal et à renforcer sa véritable place dans le secteur de l'aviation civile du continent. Aujourd'hui plus qu'hier, l'ambition de notre gouvernement est de faire du Sénégal et Dakar tout particulièrement une place aérienne sur le journal de référence avec l'ouverture prochaine de l'aéroport international, la mise en place de la de compagnie Air Sénégal et la réhabilitation des aéroports régionaux qui sont autant de projets adossés au nouveau modèle de développement adopté par le Sénégal pour accélérer sa marche vers l'adhésion. Je me félicite aussi de l'adhésion de tous les acteurs de la plateforme aéroportuaire à cette vision du chef de l'État qui nous a permis de consolider notre leadership sous-régional avec l'aéroport international de poussin qui reste toujours le premier aéroport de la zone et de Et M. le Président, nous avons connu en 2016 un taux de croissance de 6%. Voilà pourquoi je dédie ce prix à son excellence président Macky au nom des biens, au nom de tous les agents des ADES et à l'ensemble des acteurs du secteur aérien qui m'ont assisté de jour comme de nuit à cette tâche exaltante qu'il vaut aujourd'hui votre connaissance, le premier. Je ne saurais terminer sans renouveler mes sincères remerciements au président Idicam et à l'ensemble de l'UNACOA pour cette distinction. C'est le d'or du nom d'un ministre patriote qui a donné sa vie à son pays pour que vive ce Sénégal au service duquel aujourd'hui on est un patriote. J'aurais toujours nommé le président Maxal, c'est vous au sacrifice pour nous conduire à l'émergence au grand bonheur de tous. Je profite de l'occasion pour rendre un hommage à une dame, à ma chère mère, madame Fambé Faldio. Qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai tenu publiquement à dire merci pour ses prières et ses conseils dans des moments extrêmement difficiles qui m'ont permis aujourd'hui, avec l'ensemble de mes collaborateurs, d'avoir des résultats positifs.

ndax yaakaar naa ba ma nooyee ba léegi bu dul gisante benn te muy koo xam ni li ma ko xam dafa yore jikko moonte bu yàqu ndax ni mu mel noonu la ma sa mel pour soppali ko am nag ay valeurs yu disparaître ci réew mi mooy ngor mooy jome mooy am jom mooy gore dëggu te am fit bon nag tey dinaa ko war bu tolloo fii monsieur le président nee naa la dina am partenariat boo xam ne dinañ ko signé ak yéen pour lépp bu nga amati ci gan mbaa am bokk seen di tukki ñu mën leen jox seen wàccuwaay ci aéroport bi di ñuy le président Mbaye Guèye ndax li président de la wax na mu liggéeyaloo Sénégalais yi wax na dëgg ba muy gañee ba muy def liggéey bi xaw ma ko mos nañu gis bañ a nuyu gisante bon ñun ci plan Sénégal émergent lañu tax di sant son excellence président Macky Sall ci wóolu di sant itam kenn koo xam ne kenn ci man mooy Abbas Ndoye di sama rak di sant du Diagne Diakko ndax commune Diagne Diakko di Dakar.